le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir, bonne année 2020 à tous et merci de nous rester fidèles. Le Forum de la presse, comme vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. À suivre dans le forum d'aujourd'hui sur le plan sportif, les commentaires et analyses de nos confrères au sujet du déroulement de la 41e édition du Sabre national, le championnat annuel de lutte traditionnelle qui se poursuit activement à Maradi. Sur le plan sécuritaire, l'application de la mesure d'interdiction totale de la circulation des motos dans 10 départements de la région de Tilabéry Enfin, nos confrères nous diront quels sont les principaux faits qui les ont marqués durant l'année 2019. Pour en discuter, nous recevons nos confrères Elaj Suleiman Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Maimouna Diado, rédactrice en chef à la radio et télévision Tambara, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Rufai Dandoua, journaliste chroniqueur du sport, qui est au téléphone avec nous depuis Maradi. Chers invités, bonsoir et bonne année à vous. Je suis Alassane Kouzi Mohamedou pour la présentation de ce forum de la presse. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 3 janvier 2020, premier numéro du forum de la presse de l'année 2020 qui commence. Nous débutons ce forum par la 41e édition du Sabre national, le championnat de lutte traditionnelle qui se déroule, je le disais, à Maradi depuis une semaine de 80 lutteurs au départ, il n'en reste plus qu'une dizaine de lutteurs invaincus à la mi-journée du jeudi, au sixième jour de combat. Mercredi soir, le tenant du titre 2019, Isaka Isaka de Dosso, a perdu après un match nul avec euh, Yakuba Adamou de Niamey. Nous commençons avec vous, Rufai Dandoa. Vous êtes avec nous au téléphone. Rufai, bonsoir. Bonsoir, Voilà, voilà, donc vous êtes à Maradi où se déroule euh, donc, ce championnat national de lutte traditionnelle. Quel est déjà le premier constat que vous vous dressez sur place de, ce combat entre Yakuba Adamou et Isaka Isaka oui, il faut dire que euh, hier on a assisté à des vrais vrais combats, l'arène ou le stade régional de Maradi qui sert d'arène cette année pour euh, cette 41e édition a vraiment reçu ou a accueilli des très bons combats, surtout euh, le premier déjà avec euh, Soumaïla Aoudou et Adamo Aoudou avant le plat de résistance comme vous l'avez dit entre Isaka Isaka et E, ça a été un combat très tactique, euh, pas trop technique comme on l'avait euh, attendu, puisque pour qui connaît Yacouba Adamo et Isaac Essaka, ce sont deux des grands lutteurs, deux des plus grands techniciens, mais ça n'a pas été technique, ça a été trop tactique. Yacouba, sachant que Isaac est beaucoup plus fort que lui, et Yacouba se sentant peut-être beaucoup dominé, parce que c'est un lutteur qui a des problèmes de dos depuis très longtemps. Il a joué à la tactique et à l'expérience en voulant épuiser ou en voulant aussi amener à l'énervement et Isaka comme il le connaît. Et c'est ce qui fut fait puisque Yacoub, on a compris, il a voulu l'amener vers la fin et pouvoir euh, le terrasser. Pour ceux qui pensent que Yacoub n'a pas lutté, non, je ne pense pas que Yacoub n'a pas lutté. C'est peut-être Isaac qui n'a pas lutté, Isaac qui n'a pas fait et le genre de lutte qu'elle a l'habitude de faire. Et Yacouba a adopté sa tactique et sa technique pour qu'à la fin du combat, elle puisse terrasser et Isaka. Et les ont compris que dès que les deux lutteurs étaient partis à la pause, ça a commencé à fatiguer, il a commencé à s'énerver et Yacouba a voulu profiter de cette situation. Et comme on sait, dans ce genre de combat, on ne peut pas donner des avertissements tant que euh, la faute n'est pas flagrante parce que ces deux des grands lutteurs du Niger, c'est parti jusqu'à la fin et les deux lutteurs ont mordu le sabre, ont mordu le sabre autant pour moi et malheureusement pour le spectacle parce qu'on a voulu voir quelqu'un des deux et continuer le combat. Mais mm. importe on a assisté à un très grand combat, tout comme celui de Adam Aoudou et Soumaïla Abdou. quelles sont euh, les failles aujourd'hui et les améliorations constatées depuis Tilaberi l'année dernière, du point de vue organisationnel et du point de vue du déroulement des combats oui, je pense que du, point de vue de l'organisation, il n'y a pas grand-chose à dire et vraiment ça a été bien fait. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de failles. Au premier jour, peut-être, il y avait eh, des petites failles où tout le monde pouvait rentrer là où il voulait, mais le lendemain, tout a été eh, remis dans l'ordre. La sécurité a fait très bien son travail. Tant que vous n'avez pas d'accréditation, vous ne pouvez pas passer là où il ne faut pas. Ça a été remis à, l'ordre. Mais eh, si on, revient sur le plan euh, pratique même, et dans la pratique, je pense que euh, les lutteurs sont incorrigibles. On l'a constaté hier et aujourd'hui encore, on l'a constaté. Et les lutteurs qui, ne luttent pas, qui donnent toujours la victoire à l'autre. Euh, euh, adversaire parce que lui, il est, invaincu pour essayer de jouer avec l'intelligence des gens. Mais je pense que, oui, voilà, le, je parle de combat truqué. Aujourd'hui, on l'a compris avec Isaac Isaac qui a été sanctionné. Je pense que justice a été faite parce qu'il ne faut pas seulement sanctionner les petits lutteurs qui n'ont pas de nom. Il faut aussi euh, donner une vraie sanction aux vrais lutteurs pour que chacun comprenne qu'on peut sanctionner n'importe qui quand il est en faute. Isaac a été pris au piège aussi de la, aujourd'hui de la tricherie. Il faut le sanctionner. Mais je, pense que ce n'est pas la solution parce que, quoi qu'on fasse, en fin de compte, les gens ne vont pas tricher, ne vont pas arrêter de tricher. Moi, je me rappelle, il y a un, deux, trois ans, j'ai proposé au ministère une, stratégie pour éviter qu'il y ait de combats triqués, Mais ils n'ont pas accepté, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que ce genre de, propositions qu'on a faites peuvent arrêter définitivement la tricherie. Sinon, on, va, euh, on a beau vouloir euh, sanctionner un an, deux ans, les gens ne vont pas vous avez proposé des stratégies sur quoi, Rufai oui, moi j'avais proposé des stratégies qui liées seulement à partir du premier jour de combat par équipe. Le lendemain, celui qui est vaincu ne va plus affronter un invaincu. Donc jusqu'à la fin, Seuls les invaincus vont s'affronter entre eux et à la fin on aura un on aura un, champion qui n'a pas passé par la tricherie parce que tout au long du combat qu'il aura eu à faire pendant le sabre national il va affronter seulement un lutteur qui n'a pas été terrassé le premier jour le deuxième jour jusqu'à la finale vous ils vont s'affronter toujours entre eux juste pour terminer cette question avant de revenir au studio quels sont déjà vous, en tout cas, vos, pronostics par rapport à, l'issue de, ce championnat, la, 41e édition Je pense qu'aujourd'hui, eh, aujourd'hui que eh, Isaac, n'est plus là, il n'y a plus eh, Yaya Kaka de, de Tawa. L'archi favori, il faut le dire, et sans envoyer c'est Tassi Oussani de Zender qui, qui, qui est encore en liste. Sinon, il y a des, très bons lutteurs qui sont là. Il y a Hassan Ousmane de, de qui que je trouve euh, euh, vraiment très en forme, qui peut aller loin. Il y a Aibo, et Hassan de Maradi qui est très bien, un lutteur très élancé, très agile, très technique qui peut surprendre pour faire euh, autre chose. Mais je pense que le premier favori aujourd'hui, il faut le dire euh, sans embâche, c'est Sani qui a été champion national il y a deux ans. Merci beaucoup Rufai et bon séjour à Maradi. Nous revenons au studio. Eh, Hassan Boukar, vous avez suivi ce championnat. Alors, euh, on avait évoqué ces, ces, combats entre Isaka Isaka, le champion en titre, et Yakuba Damou mercredi soir. Et donc, dont on connaît Lucie, c'était un match nul. Euh, voilà, quel est votre, le commentaire que vous faites sur le plan, en tout cas, de, de combativité entre ces deux, euh, sur le plan de l'arbitrage Je pense que euh, Rafael a un peu évoqué. On aurait, on aurait bien voulu qu'il y ait quand même un, vainqueur. Ce serait, c'est, vraiment dommage que les deux quittent l'arène de, de cette façon-là. Mm. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait un vainqueur dans, dans, dans cette lutte. Alors, Isaka, Isaka c'est vraiment le lutteur en forme depuis deux trois années. Il a dominé l'arène au, au, Niger. Mm. Euh, Adamou, c'est quand même quelqu'un qui est assez technique. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que c'est le lutteur qu'on a vu dans les arènes il y a 4-5 ans, qui, qui était très en forme, qui défiait les Sénégalais, qui, qui était vraiment un, très bon lutteur, de, tant du point de vue technique, des voilà quoi, mais j'ai l'impression. Vous avez senti un certain relâchement de. oui, je pense que ce n'est plus la même personne, ce n'est plus la même performance. Euh, il y a trois ou quatre ans, Yakuba Adam, c'était quelqu'un qui faisait, je crois, trembler ses adversaires. Il était en forme. Euh, là, aujourd'hui, c'est vraiment Isaka, Isaka qui, qui, qui est à cette place, euh, dès qu'on peut dire les mêmes choses. Mais euh, c'est bien dommage euh, que, que, les deux soient tombés de cette façon. Moi, derrière Kouadamou, je me dis que bon, c'est peut-être euh, il faut qu'il commence à, à, songer à prendre sa retraite. Hein. Je pense que l'expérience qu'il a, il peut contribuer autrement euh, en formant, en encadrant des gens plus jeunes que lui. Mm. Je pense que il peut suivre la trace de Bendigao, de Maradi, qui lui a choisi cette, cette option. Je pense que moi, je le vois beaucoup plus aujourd'hui dans l'encadrement qui est ce qu'il doit donner, je pense qu'il l'a déjà donné. Je ne crois plus pouvoir voir des choses qu'il n'a pas encore faites. Je pense que ses euh, exploits sont derrière lui, à mon avis. Quelles sont vos, vos, vos appréciations de, cette question de, de combat truqué qui revient souvent, malgré les sanctions qu'ils ont, qui sont en tout cas mises en exécution C'est quand même une, très vieille pratique. Hein? C'est une très vieille pratique. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les sports. Hein? Au football, partout, on retrouve. Maintenant, il faut trouver une formule pour sanctionner. Parce, que, que là, on sanctionne le plus souvent le lutteur qui aura, en, tout cas, euh, donné l'avantage à l'autre. Oui, euh, si on considère que c'est lui le, coupable, c'est lui qu'il faut sanctionner. Mais en tout cas, malheureusement, dans, la plupart des sports, il y a la, tricherie. Hein. Je pense que c'est bien de sanctionner pour que les gens se mettent vraiment à lutter. Mais malheureusement, euh, moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions en sanctionnant, on peut peut-être réduire l'effet de, cette tricherie, mais c'est malheureusement quelque chose qui existe dans tous les sports. Donc, euh, je ne crois pas qu'on aura des sessions, de, des éditions de la lutte sans aucune tricherie. Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui euh, euh, Quelle amélioration peut-on apporter à cette, ces ce sabre national Moi, je pense que D'abord là, moi, globalement, quand j'observe ces, ces, ces, trois dernières années, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été démenti. C'est euh, le fait qu'aujourd'hui la région de Dosso, la région de Niamey deviennent quand même les zones phares de la lutte. On a connu de par le passé Tawa, Zander, Maradi. Je crois qu'aujourd'hui Dosso et Niamey prennent la relève. Euh, je pense que, par exemple, moi j'ai vu à la fin de la quatrième journée, les deux régions qui avaient 4 à 5 euh, lutteurs invaincus, c'était Niamey et Dosso. Donc il y a quelque chose qui, qui, qui change de ce point de vue-là. Maintenant, du point de vue de, de l'organisation. Alors jusqu'à présent, apparemment tout se passe bien. On a connu des éditions qui avaient connu beaucoup de difficultés. Je vois aussi que Contrairement au football, la VAR, ça marche bien dans la lutte, hein. cette assistance vidéo hmm. qui a déjà été expérimentée à plusieurs reprises. Et je crois que ça, ça aide à régler les, les, les, litiges. Et c'est extrêmement important que ça marche. Ça fait des années déjà qu'on l'utilise dans le championnat de lutte. Et là, ça, ça marche très bien. Alors, une chose que j'ai vue, que j'ai trouvée très bien, hmm c'était tous ces jeunes qui venaient chanter des louanges. Euh, hier, je crois. Voilà, à euh, hier, j'ai vu. C'est extrêmement important parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, qui existe dans le championnat de lutte. Et qui donne le hein. caractère traditionnel, justement. Qui donne le caractère traditionnel. Et donc, les, les lutteurs se retrouvent. Maintenant, la seule chose que j'ai interrogée, c'est le fait de dire qui est le meilleur. J'ai vraiment interrogé ça en me disant, est-ce qu'il fallait dire qui est meilleur pour moi, c'est bien qu'il y ait ce kirari-là dans Mais pas qu'on dise que tel ou tel... est alors, parce que chacun l'est fait. Je me dis, on aurait pu laisser les lutteurs le faire sans vraiment dire voilà les meilleurs. Voilà, euh, voilà Mamadou du journal Niger Inter. Quelle est votre appréciation générale de, de, ce championnat qui se déroule à Maradi et quelles sont les remarques que vous, vous avez dû faire, en tout cas, durant cette première semaine euh, D'année après année, on constate que véritablement... Euh, la lutte semble perdre vraiment sa gloire, de son goût, cet attachement qu'ont les Nigériens, parce que j'ai comme l'impression que de règlement euh, a fini par tuer le règlement, ça, ça donnait vraiment un goût, une lutte vraiment pas comme euh, la lutte traditionnelle qu'on connaît. Euh, parce que vous voyez par exemple qu'on dise que deux lutteurs comme Isaka, et l'autre vraiment ont fini de cette façon. Hmm. J'avoue que dans sa vocation initiale, la lutte consiste à amener deux, euh, deux, combattants jusqu'à ce que quelqu'un, en tout cas, l'intéresse l'autre. Hmm. Donc, vous voyez, on a appliqué le, le, règlement. Il y a un goût d'inachevé, en tout cas, pour ceux qui veulent vraiment voir que, parce qu'en en fait, le but, c'est de montrer qui est plus fort. Hmm. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense que, franchement, c'est raté. Hmm. Euh, là où je ne suis pas d'accord avec ouais. moi je comprends bien le souci. Euh, comme je le disais, moi mm. j'aurais bien voulu voir l'intérêt Mais alors, si vous dites, vous donnez tout le temps, quelle est la durée finalement du de, de, déjà, euh, Non, non, en réalité, c'est que je pense que c'est aussi cela, ne pas avoir le temps. ne par le passé, on peut passer une, une journée justement. On, on va faire une lutte, parce que, parce il faudrait aussi pouvoir maîtriser le temps. Juste, justement, peut-être qu'il faut davantage, euh, je veux dire que au niveau du règlement, forcer les lutteurs, en tout cas celui qui ne lutte pas, on peut le sanctionner celui qui fuit le combat. Donc pour vous, ces réformes, c'est les réformes qui ont, en cas, qui ont, je me rends compte, j'entends les, J'entends Nigériens effectivement dire que de plus en plus la lutte perd de son groupe. En à cause de ces réformes Absolument. Hmm. Contrairement au passé, vous voyez, au niveau de l'engouement, au niveau de des, Nigériens qui regardent la télévision ou bien qui. Euh, euh, franchement, on se rend compte que. Et je pense que moi, quelque part, c'est les règlements qui, euh, en tout cas, qui ont tendance à dénaturer l'art traditionnel. un autre aspect, je constate quand même que, effectivement, comme, comme il a dit, je suis d'accord que pour éviter l'anarchie, on a vu par exemple souvent les décisions de jury sont contestées on fait appel au comité ad hoc. Maintenant, quand il tranche, il euh, n'y a pas de débat. Ça, c'est comme euh, une très bonne chose qui est des garde-fous, que quelle que soit la situation, lorsque que euh, ce comité ad hoc tranche, en tout cas, n'y a pas de débat. C'est comme une sorte de cours constitutionnel. Mm. quand elle tranche, en tout cas, c'est sans appel. Sans mm. euh, donc, euh, je constate que la question de, de, de, de, de combat effectivement, fait encore euh, toujours persiste. Mm. Parce que là aussi, vraiment, je pense que là, je soutiens à 200% la proposition de, Rufai. de, Effectivement, parce que là, si seulement, si seulement, par exemple, euh, de le, euh, on, on, évolue avec les, les, invaincus, effectivement, tu auras la fierté euh, de triompher justement en terrassant que les invaincus. donc, moi, je pense que c'est une très grande. Cette année, apparemment, on va éviter la situation qu'on a connue à Zender il n'y a pas longtemps. en tout cas, parce que simplement, ça marche au niveau de l'arbitrage. Euh, lorsque justement le plus souvent les décisions des services est confirmées par le comité ad hoc, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, je pense qu'il va falloir, comme Rufa l'a a dit, qu'au niveau du ministère technique, vraiment qu'on revoie les choses euh, pour vraiment. Le plus important, que ce soit vraiment ce sport-là national, en tout cas, avec tout son. Vraiment, tout, tout le plaisir que les gens ont n'est pas vraiment le, dénaturer mm. Le, constat, par exemple, de l'autre, euh, de, Hassan Boukar, Aujourd'hui, en fait, si Niamey et Dosso prennent en tout cas le, le dessus, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, ces sportifs-là, euh, c'est le plus souvent ces gens ah, qui, qui, ajoutent en tout cas le judo, le karaté. Euh, donc il faut que les gens comprennent justement que la lutte, les, les, techniques, parce que vous voyez, même dans le combat, ceux qui sont, ont, les armes morceaux, en tout cas, sont plus habilités vraiment à développer vraiment des de, de, tactiques. Quoi. Hmm. Merci. Et euh, voilà, Diado, un mot peut-être sur, sur, la lutte traditionnelle <laughs> Le combat qui m'a <laughs> impressionné, c'est celui de Isaac Isaac et de Yacouba Adam. Oui. Euh, ça m'a beaucoup impressionné parce que là, je vois que c'est deux champions et ensuite, personne ne veut en fait mordre la poussière. Ça aussi, c'est. Et ils ont traîné. Et là, il n'y avait pas aussi question de combat Voilà, en fait, ils, ont, ils, ont, ils ont traîné, ils ont fait leur possible. En fait, chacun ne veut pas en fait tomber. Chacun ne veut pas tomber. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui. Il y avait donc une vigilance oui, C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à dire que c'est un combat. Euh, personne n'est euh, tombé. Boudin achevé. Nul. <laughs> je vais. Mm. Et je pense que, bon, que le meilleur gagne, c'est tout ce qu'on peut dire aussi. Mm. C'est le souhait. Mm, merci. Euh, voilà, second sujet de, ce forum, les autorités nigériennes ont interdit la circulation des motos de jour comme de nuit à compter du 1er janvier 2020 dans du département de la région de Tilaberi sur les 13 qui compte la région. La mesure concerne précisément le département d'Ayoru, Walam, Abala, Bankilare, Banibongo, Sai, Goté, Torodi, Tera et tilaberi Des mouvements de protestation ont été organisés la dernière semaine de décembre par, euh, les usagers donc euh, de, la route dans plusieurs de ces départements concernés. Maimouna, quelle est l'analyse que cette mesure vous inspire En quoi, euh, de votre point de vue, on peut dire que ces genres de mesures peuvent avoir une efficacité de la lutte contre le terrorisme Bon, Parlons d'abord euh, donc de, cette mesure. Avant cette mesure, on sait qu'il y a déjà l'état d'urgence. Euh, aujourd'hui, une décision qui sort encore pour interdire la circulation à moto de, jour, comme de comme de nuit dans euh, dix départements de, la, région de Tilaberi. Je pense que là, c'est encore préparer les, ces populations à accepter cette situation. Accepter cette situation, pourquoi Parce que les autorités pensent que en mettant cette euh, décision, c'est euh, lutter contre euh, l'insécurité dans cette zone. Mais je pense que au-delà également de cette insécurité, que les autorités disent prendre des mesures par rapport donc à l'insécurité, il fallait également regarder le point de vue de l'économie, parce qu'aujourd'hui, c'est des populations qui vont se retrouver sans moto, donc sans euh, moyen de déplacement parce qu'on suppose que ce n'est pas c'est des villages qui sont un peu éloignés aussi dans ce département. Et pour joindre les deux bouts, il y a ceux qui sont forcés d'utiliser la moto. Mais quand on regarde aussi, on pense que peut-être en interdisant la circulation de, euh, sur moto donc, dans ces zones, hmm. euh, ça peut amoindrir donc, euh, les attaques, terroristes, sur les motos. Mais pourtant, hmm. c'est sur des motos qu'il ne faut pas oublier que ces ennemis euh, viennent toujours frapper. Toujours, Donc la population ne comprend pas cette situation. En fait, parce qu'il y a des populations qui n'ont jamais vécu cette situation. Aujourd'hui, c'est la première fois que ces populations, il y a d'autres populations qui sont en train de le vivre. Aujourd'hui, quand vous prenez euh, l'enseignant qui se trouve peut-être euh, à combien de kilomètres, qui doit faire son déplacement à moto pour mm. pouvoir aller euh, dispenser les cours et revenir, par exemple, chez lui. Donc, il faut voir également l'impact que ça fait. il faut regarder aussi, il y a des villages environnants. Ces villages environnants ont également des marchés. Aujourd'hui, il y a ceux qui ne peuvent pas se ravitailler dans ces marchés-là, parce qu'ils vont parcourir combien de kilomètres à moto pour pouvoir venir se ravitailler. Et il y a, beaucoup de jeunes aussi qui font les taxis motos. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui font les taxis motos. Tout cela, ça rentre dans l'économie. Hmm. Donc, c'est avant de prendre ces mesures, j'aurais bien voulu euh, que l'État prenne le temps, peut-être, de sensibiliser, le temps de, rappeler à cette population que nous le faisons non pas pour euh, euh, vous empêcher de faire certaines choses, mais c'est pour votre sécurité. Parce mm. qu'aujourd'hui, quand on me dit que la région de Saï, par exemple, le département de Saï qui est à côté, mm. euh, <laughs> ces villageois-là, comme on le connaît également, c'est vraiment euh, des, des, des, villages qui sont rattachés donc à ce département. Aujourd'hui, qu'on demande à ces villageois-là de déposer les motos, j'aurais bien voulu qu'il y ait, par exemple, une heure où on peut circuler sur moto et une telle heure où tu ne dois pas circuler sur moto. c'est ça. Hmm. El Suleiman Mahmoud, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des droits qui sont mis à rude épreuve dans ce genre de situation euh, à, travers cette mesure d'urgence et quelle alternative les autorités auraient pu en tout cas proposer ou devaient proposer aux, populations de ces, euh, de ces localités euh, franchement, j'ai suivi ce débat sur les réseaux sociaux et on l'a vu justement, la mesure a suscité même euh, des manifs euh, dans la région de Tilaberi. mais ne pas qu'on parle vraiment la raison. Hein. Mm-hmm. Nous sommes dans une situation assez délicate où il nous faut de la sérénité. J'ai dit dans un débat que et si cette proposition a été faite par les stratèges militaires qui ont considéré que de manière provisoire, il faut le faire. Donc, dans tous les cas, on se rend compte qu'au niveau de la population, c'est érigé. Apparemment, j'ai vu le Premier ministre a reçu les députés de la région par rapport à la question pour, pour, discuter. Donc, euh, parce qu'en réalité, eh, on l'a vu, c'est des colonnes de, à, moto qui viennent. Lorsque, effectivement, j'ai dit ça vient des stratégies militaires qui, ont, qui peuvent considérer que euh, voilà, en fait, euh, on va considérer que les motos, pour le moment, on va interdire les motos simplement pour pouvoir opérer. Deuxièmement, tout celui qui envoie une moto, donc euh, c'est suspect. Hmm. Donc vous voyez un peu, ce n'est pas en fait aussi, je veux dire, irresponsable que ça. Ça obéit à une certaine logique, parce hmm. que avant tout, la sécurité avant tout. Quand il n'y a hmm. pas de sécurité, aller au travail, les questions de, de, économiques sont secondaires. Mais il se trouve qu'effectivement, effectivement on se rend compte à l'évidence que ce n'est pas euh, le premier coup d'essai. À dix fois, on dit qu'effectivement, cette maison n'a pas été du tout. Elle n'a pas obéi, en tout cas, elle n'a pas répondu aux, attentes. Hein. Hmm. Donc, ce qui fait qu'effectivement, la population a raison de contester, mais je pense qu'il est question entre justement autorité et population qu'on se retrouve. Parce qu'en fait, c'est quoi Il faut convaincre la population de la pertinence de la décision. C'est un peu ça, effectivement. Quand on décide comme ça, nous sommes en démocratie, vous ne pouvez pas décider d'un truc qui peut, effectivement, euh, euh, en ce cas, euh, faire obstacle à beaucoup d'aspects de la vie. Donc, je pense que quelque part, comme Mamoun l'a dit, il, aurait fallu effectivement communiquer, expliquer d'abord aux, responsables, aux autorités, les chefs traditionnels qui vont aussi expliquer aux populations ça n'a pas été fait. Mais on se rend compte que, par exemple, lorsque je dis que le peuple a reçu les, députés, hmm. on pense que véritablement, on va dire aux jeunes euh, pourquoi cette, décision Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, en tout cas pour pallier, en tout cas pour construire un, euh, un consensus, franchement Parce mm. qu'il faut, il faut vraiment euh, éviter, parce qu'aujourd'hui, dans, dans, ce contexte d'insécurité, lorsqu'on retrouve les FDS avec les policiers en train de s'entretuer, je pense que franchement, parlant, on est en train de, de, jouer avec le feu. Mm. Hassan Boukar, comment vous analysez euh, cette situation Voilà, nos deux invités ont soulevé, l'autre a soulevé cette question de communication et, et, voilà, et euh, là, Suleiman aussi qui évoquait, qui disait que peut-être que c'est des stratégies, euh, des stratégies militaires. Euh, on se rend compte que, en tout cas, pour le moment, je pense bien que cette mesure, on n'a pas précisé. D'habitude, on ne précise pas. En tout cas, c'est pour qu'elle... pour quel, pour pour tant de périodes. Euh, voilà, comment analyser ces genre de situation en, période justement de, crise ou, ou, de situation de guerre, comme on, là, on a entendu le président de la République l'évoquer euh, il y a quelques jours dans son discours euh, Alain l'a évoqué sur les réseaux sociaux. Mm. Les gens, l'une des questions que les gens posent, c'est de dire on l'a essayé pendant des années à DIFA. Ça n'a pas amélioré en tant que tel la sécurité. Euh, vous, avez une région qui est euh, en face euh, d'un pays dans lequel ces motos circulent librement, le Mali. C'est-à-dire que des groupes qui sont installés en territoire malien peuvent venir faire tous les, toutes les attaques, tout ce qu'ils veulent, s'en aller. Ils sont, ils à, motos, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En interdisant, il y a une chose qui est certaine, c'est la population qui va supporter le coup. Alors la question que je me pose, puisqu'à DIFA, on est parti comme ça, est-ce que demain, on viendra dire il y a des activités économiques qu'il ne faut pas faire à Tel Aviv parce que déjà, dans cette zone aussi, on dit qu'il y a des zones <clears throat> où les, les, terroristes prélèvent une sorte de taxe mmh. sur des activités, mmh. sur des populations. À dix fois, on a ciblé euh, la, pêche, on a ciblé un certain nombre d'activités commerciales pour dire il faut carrément les interdire. Mmh. Ça a été interdit à dix fois. On connaît aujourd'hui les conséquences que la population a vécues de ces faits. Alors, si on veut le faire à Tilaberi, et euh, je suis d'accord sur cette dimension, il aurait fallu interroger, parler avec les gens pour dire, face à cette situation, quel aurait été le, type de mesures idéales qu'il faut prendre. Euh, c'est comme ça la démocratie, hein, c'est pas, ça n'a pas besoin. Mais finalement, on se rend compte parce que on se rend compte que euh, c'est des décisions en tout cas que les gens découvrent. Elles sont, elles sont, sont, C'est comme si en fait on ne considère pas les gens comme des, citoyens, on les considère comme des sujets, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir ont le pouvoir de dire tout ce qu'ils veulent, et les gens les découvrent, et euh, la conséquence, ce sont ces manifestations, justement. Alors, imaginez un État qui dit, je vais prendre des mesures pour vous protéger, mais la population dit, on n'est pas d'accord avec ça, et les gens battent le pavé, ils prennent euh, les, rues pour dire, ils ne sont pas d'accord, ils manifestent. Ça, a un coût, en fait, ça coûte cher. Je pense que le, seul front valable aujourd'hui pour lequel tous les Nigériens dans ces mobiles c'est de se mobiliser contre l'ennemi. Mais le gouvernement, il a des démarches euh, totalement inacceptables qui font qu'il cherche encore à imposer des choses à des gens et c'est normal que les gens les manifestent. À mon avis, ce qui a manqué, c'est vraiment de dire aux citoyens, nous vivons une situation difficile face à laquelle on veut quand même prendre des mesures, que ce soit une mesure inspirée par l'armée les, hein, ou par d'autres ou par le gouvernement lui-même, ça ne coûte rien aujourd'hui de parler avec les citoyens, c'est respecter les citoyens. Et aussi, il y a ces, en tout cas ces, ces questions soulevées par Maïmouna Diado, notamment ces enseignants, ces cadres de santé, ces gens qui doivent aller dans à, certaines distances pour, faire leur travail, revenir, ceux qui sont en tout cas qui ont tout leur travail autour de, ces questions de, le, moto. le coût est énorme. Vous avez, des ménages qui vivent grâce à ces motos. Mm. On parlait tout de suite des taxis-motos. Vous avez euh, des zones dans lesquelles, par exemple, une partie du corps enseignant vit en milieu urbain. Le lendemain, ils vont, ils dispensent les cours, puis ils reviennent. Ça a un impact certain de ce point de vue sur euh, plusieurs aspects de la vie socio-économique dans les régions où on impose ces mesures-là. Mm. Qu'on dise que nous sommes en guerre, il faut qu'on trouve des, des, des, mesures, mais ça ne dédonne pas l'État aujourd'hui à parler avec les communautés, à parler avec les citoyens, à confronter ces, choix avec les attentes des communautés, peut-être qu'on peut trouver des solutions. Euh, le fait de dire en temps de guerre, on prend des mesures, qu'elles soient, euh, qu'elles puissent déplaire à des gens, mais il faut qu'on les prenne en temps de guerre, on risque d'ouvrir énormément de fronts au point où on peut s'engluer, on peut ne pas s'en sortir. Alors, cette mesure d'interdiction, à Boukar, euh, on l'a dit, d'interdiction de circulation des motos n'est pas la première au Niger, parce que DIFA a connu, en tout cas, euh, pour elle, en tout cas, plus de 4 ans, euh, si je ne me trompe. La région de DIFA, donc c'est l'exemple illustratif. Peut-on parler de, peut-on faire le rapprochement entre justement ces deux régions Si cela a été appliqué pendant des années à DIFA, pourquoi pas à Tilaberi Est-ce qu'on peut faire le rapprochement si, vous voulez les, la seule raison officielle, c'est de dire l'ennemi utilise les motos. À que les gens de Boko Haram utilisent les motos. Et donc, en éliminant les motos, euh, on considère que toute personne qu'on voit en moto est une personne suspecte. après mm. À, première vue, c'est charmant. Mm. On peut dire, OK, on, garde les motos. Dès que quelqu'un prend une moto, c'est à, risqué et périlleux Et donc, on, fait la même chose. Mm. Mais le coût a été énorme. D'abord, on n'a pas dit combien de temps ça prend. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. À Difa, nous, on dit, les motos ont tué les chevaux parce que c'est quand même une tradition dans cette zone, les gens avaient leurs chevaux chez eux. Les motos ont tué les chevaux, mm. les chevaux ont disparu, les motos ont remplacé les chevaux dans les ménages. Maintenant, les motos aussi ont disparu. La guerre a tué les, les, motos. Mm. Et du coup, les gens sont totalement handicapés. Et pendant des années. Est-ce que cela a pu peut-être avoir un effet sur les attaques, sur l'envergure des attaques et euh, aussi à moto En tout cas, à discuter avec les gens à DIFA, ça n'a rien changé. Et, et pire, pas seulement cela. Même, même, les mesures, je pense que c'est Mémouna qui l'évoquait, qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence. On dit par exemple, à un certain heure, personne ne circule. Mais les gens disent, il y a énormément de vols pendant cette période-là. On dit alors, nous, on nous dit rester. On suppose qu'il y a quelqu'un qui garde dehors. Mais on a l'impression que personne ne garde dehors. Et, finalement, il y a énormément de vols euh, à Difa pendant euh, ces périodes d'état d'urgence. Ce qui fait que les gens interrogent franchement l'efficacité de ces mesures-là. On a l'impression que, au lieu d'avoir des mesures efficaces contre l'ennemi, c'est vraiment la population qui supporte le poids de ces mesures. moi, je voudrais ajouter ce que aussi, euh, ne faut pas euh, minimiser le fait que, selon certaines informations euh, sécuritaires, mm. c'est que aussi l'ennemi, il est parmi les populations. Euh, je pense que je ne veux pas jusqu'à euh, dire que c'est ça la mesure idoine, mais en réalité, mm. ça, c'est en termes, je pense que c'est en convaincant la population de collaborer en termes de renseignement, effectivement, pour dénoncer les, euh, les brebis galeuses au sein de la population, en tout cas, qui collaborent ou qui pactisent avec, avec l'ennemi. Donc, je pense que, franchement, il va falloir, côté donc, autorité, vraiment de convaincre la population sur la pertinence de la décision, si les populations ont des propositions alternatives meilleures que celles qui est proposée, là je pense qu'il n'y a pas de, de, de, polémique. On décide ce qui convient en tout cas à la, à à situation. Mais je euh, sais que les, vous constatez avec nous que c'est justement fait je constate pour, le, pour, le monde pour, le moment franchement c'était un spectacle désolant euh, de voir justement une mesure euh, dans un contexte comme celui-ci, en tout cas, qui a provoqué vraiment euh, une telle polémique. Quoi. Mme Diado, vous voulez dire un mot sur ce sujet avant qu'on ne passe au dernier sujet Voilà, en fait, ce que j'aimerais euh, ajouter, c'est juste euh, que les populations comprennent aussi que c'est pour, dans le cadre donc, euh, de la bonne surveillance, donc en fait, de leur sécurité aussi, que cette décision a été prise. Bon, je pense que ça a été déjà lancé depuis hier. Oui, c'est entré en vigueur à C'est en vigueur depuis hier. Oui. Donc là, je ne vois pas, peut-être que le gouvernement n'aura pas également le temps de revenir sur ça. Donc c'est à la population, comme l'a si bien dit euh, euh, Hassan Boukar, euh, qui vont, en tout cas, qui seront obligés de s'y mettre, obligés de s'y mettre parce que ce c'est cette population qui va, en tout cas, prendre le plus gros euh, euh, euh, risque, risque, comme on le dit, parce que vous savez aussi, la majorité de nos populations, c'est des populations aussi illettrées. Donc il faut la sensibilisation, parce que si les risques parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas qui, ne vont pas avoir l'information. Qui ne vont pas avoir l'information et ou qui vont peut-être s'entêter parce qu'ils n'ont pas bien compris. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire que la communication elle est très importante, la sensibilisation elle est très importante à ce niveau. Et on a vu, oui, on a vu, on a vu à Walam avant que ça ne gagne les autres départements. Il y avait le département de Walam qui faisait déjà cette, qui était déjà dans cette situation euh, d'interdiction de, circulation de, moto. Et on a vu comment est-ce que cette population population aussi avait réagi à un moment donné, parce que quand vous leur demandez, ils disent à chaque fois, on nous interdit de circuler à moto, alors que les euh, ennemis viennent sur moto pour nous attaquer. Mm. Donc je pense qu'il faut revoir cette situation en essayant de sensibiliser. Nous sommes dans cette situation insécuritaire et vraiment, c'est la sensibilisation qui peut en tout cas mm. aider l'État et également les forces de défense et de sécurité à avoir une nette collaboration avec ces populations. Voilà, et nous terminons avec euh, les grands événements et faits marquants de l'année 2019 qui vient de s'achever. Memouna, quels sont les événements ou les faits qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi euh, Moi, je dirais le premier point sensible, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'insécurité. Hmm. J'ai jamais, on n'a jamais vécu genre d'insécurité en 2019. L'insécurité avec euh, l'ampleur des, des, attaques perpétrées, avec, les avec, les victimes. On parle de Boko Haram de ce côté, on parle de l'ennemi, euh, les djihadistes de l'autre côté, de la région de Tilaberi. On parle d'enlèvement dans euh, la région de Maradi. Difa également n'est pas épargné par les enlèvements. Mm. Et je pense que la question de sécurité m'a beaucoup affecté. Ça m'a beaucoup affecté parce que c'est des choses qu'on voit, on entend. On on ne savait pas que ça allait prendre de l'ampleur, en fait, dans euh, au Niger, pratiquement dans le Sahel. Aujourd'hui, euh, vraiment, c'est à déplorer quand on voit des militaires qui tombent chaque jour euh, sous les coups des balles de l'ennemi. Ça m'a beaucoup marqué pour ce qui est de 2019 et je pense que 2020, 2020, ça sera la fin de, cette guerre, la fin de la guerre qu'on nous a imposée parce que ça vient du Mali, mm. euh, cette guerre de djihadistes et Boko Haram aussi, ça vient des frontières de Cameroun et du Nigeria. Hmm. Quel, quel, mot, par, eh, eh, eh, par, exemple, sur la question de la liberté de la presse, euh, des libertés individuelles, la question de, de, la gouvernance de, la, la, question de la bonne gouvernance d'abord, ça aussi, ça m'a marqué, parce que quand on parle de bonne gouvernance, il faut également soulever la question du budget, le budget qui a été alloué dans, pour les secteurs euh, sociaux de base. Ça m'a beaucoup également euh, affecté parce que je ne pensais pas que ce qu'on a vécu en 2018 avec ce budget, qu'on allait revenir avec la même situation euh, pour euh, le budget de 2020. Mm. Et je pense également pour bien gouverner, il faut d'abord prendre euh, en considération le budget. Et ça m'a beaucoup également euh, fait mal, très mal, quand on me dit que mon pays, le Niger, est également classé dernier, dans le classement, de l'indice de, développement humain. Je pense que peut-être ceux qui font ça, ce n'est pas une fierté aussi. Et nous sommes tous des Nigériens, nous devrons ne pas être fiers du classement aujourd'hui euh, de notre pays, le Niger, qu'on le veuille ou non. nous devrons regarder et euh, aller de l'avant et essayer de faire montrer en fait euh, que nous sommes solidaires et que c'est pas X ou Y ou bien c'est pas un seul gouvernement qui devient aujourd'hui qui fait aujourd'hui le classement d'un pays aussi. Mmh. Alors euh, ça ça m'a touché et quant à la liberté de la presse, je pense que ça va mmh. pour la liberté de la presse au Niger. Les gens <laughs> disent leur opinion. ça, c'est sans souci, ça, c'est mon opinion aussi. yeah, <laughs> oui. Et là, Suleiman Mahamadou, Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, particulièrement, durant euh, l'année 2019 Beaucoup d'éléments. D'abord, la sécurité, comme elle l'a dit. Je pense que euh, le peuple nigérien euh, vit franchement cette indignation, cette désolation, justement aux victimes de terroristes. Ça, c'est incontestable. Je pense que c'est l'élément qui, qui l'esprit de tout le monde. En tout cas, un autre élément qui a marqué l'année 2019, euh, c'est aussi côté diplomatique. Euh, le Nigeria était marqué par un grand événement que l'organisation réussit à 2019. Le sommet de euh, l'Union Oui, oui j'étais aussi marqué franchement par le retour du chef de file de l'opposition. Hamadou qui a accepté après avoir perdu en tout cas ses recours. Il a vu qu'il n'y a pas de transition, il faut revenir donc faire sa prison. Ça, c'est un geste très fort en tout cas pour un homme politique euh, que d'accepter cette situation après avoir tout ce que cela a suscité comme combat. Mm. Et il, a, dans un premier temps, fui le pays pendant une certaine période, mm. mais lorsqu'il avait perdu le procès, euh, en tout cas le dernier recours à Abuja, il est venu faire sa prison. Mm. Je pense que ça donne des leçons au, niveau politique. Euh, c'est quand même assez, assez, je veux dire, impressionnant. Euh, un autre élément qui m'a marqué sur le plan de la gouvernance, franchement, c'est aussi la récente affaire euh, euh du ministère de la fonction publique euh, jumelée avec celle de, celle de secondaire, à savoir le scandale de l'année. Mhm. franchement, en tant que journaliste, en tant que citoyen nigérien, tout simplement, ça m'a beaucoup désorienté. Mhm. Je ne peux pas comprendre et accepter que des ministres osent faire des choses comme ça et être acceptés dans, le gouvernement. Vous pouvez nous rappeler euh, justement cette justement ces gens ont osé nommer des, des 48 personnes euh, qu'ils ont, qu'ils ont nommées. Euh, c'est des voisins, c'est des militants du parti et même les, propres enfants de la ministre. Elle a donné des, des, des numéros matricules. Hmm. Le ministre de, des enseignements secondaires il avait pris une décision effectivement pour affecter ces gens. Et ces gens eux-mêmes ont reconnu que c'est une faute grave. Ils ont abrogé leur propre acte administratif. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont dans le gouvernement. Je pense qu'en tant que citoyen nigérien, cela, en tout cas, euh, c'est un mauvais signe que vous ne pouvez pas accepter des choses comme ça dans un gouvernement. Ça ternit beaucoup l'image. Mm. Un autre élément, de, élément qui m'a marqué en tout cas de cette année, c'est aussi euh, l'affaire Mossoud au niveau du PNDSR, qui effectivement euh, le jour qu'on avait vraiment euh, annoncé que c'est en tout cas renvoyé du gouvernement. Mm. Franchement, ça. L'ancien ministre des Finances. Absolument. Mm. Mais ce qui est assez quand même curieux, c'est on se rend compte qu'au niveau de ce parti, malgré tout cela, ils ont suggéré, Moi, aujourd'hui, ministre d'État au sein du même gouvernement, le gouvernement absolument. Donc, bon. <laughs> Hassan Boukar, nous terminons avec vous pour, pour les événements ou les faits qui vous ont marqué euh, pour, cette année. Je, pense que c'est surtout euh, la sécurité. Euh, là, à un moment, on a l'impression que finalement, on a du mal à, trouver la quiétude dans ce pays. Difa, ce sont les points les plus chauds mais on peut dire aussi Maradi, euh, Dosso. Tawa et mm. tout ça. Et donc à un moment, on a eu l'impression que finalement dans ce pays, on a du mal à trouver des endroits plutôt calmes. Euh, le risque était un peu partout, donc je pense que c'est quelque chose qui a marqué les Nigériens, et surtout cette attaque de, de qui est quand même euh, sans précédent au vu des que ça a causé, ou du drame que ça a causé dans ce pays. Je pense que la sécurité a été l'un des points les plus importants. Alors, euh, un, élément, moi, qui m'a marqué, peut-être à titre personnel, euh, dans la région de Difa, on a eu l'occasion de, de, travailler avec le maire de Kabelewa autour d'une activité qui concerne l'éducation et la santé. Alors, quelques jours après, quand j'ai appris qu'il a été enlevé euh, dans cette région, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mm. Je pense à lui au moment où l'année 2019 euh, a pris fin et que 2020 commence. J'ose espérer qu'il pourra retrouver sa famille, les siens dans, les jours à venir. Mm. Donc voilà, quoi, c'est des choses. Euh, lui, comme beaucoup, en tout cas, de, personnes, soit à Difa ou à Maradi. J'ose espérer que ces personnes-là vont, vont retrouver leur famille. Donc c'est quelque chose que je n'oublie pas. Donc pour moi, vraiment, les, personnes auxquelles je pense vraiment, ce sont ces personnes qui vivent ces zones de conflit. maintenant un mot Je voudrais juste, en tant que femme aussi, me réjouir euh, en fait de la loi qui a été votée par rapport au rehaussement du quota. Ça m'a beaucoup marqué euh, aussi. Même si l'ancien, le, quota en tant que tel n'est pas du tout, en tout cas, respecté, Non, ça sera respecté, ça sera respecté. On va veiller à ça. Merci. C'est la fin du forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Elaj Suleiman, euh, journaliste au journal en ligne Niger Inter, Memouna Diado de la radio et télévision Tambara, Rufai Dandoua qui était en ligne avec nous et Hassan Boukar de la radio alternative euh, à la présentation. C'est moi, Hassan Kouzi Amadou, la technique assurée par euh, Lawali Issa. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur les réformes de l'hymne national et dimanche en Zarma sur le SAFEM édition 2019. Bonsoir.